wa la ni que conditions yi moom parce que bon euh, ak euh, poussière bi température bi et tout ça mais bon nous sommes ñi ngi sant parce que opportunité la woon pour nous pour nous mun daw bàyyi suñu muscle yi ça fait 2-3 jours tout jouer donc sant yàlla. yow yow ci mon premier afro basket. premier afro bon euh, opportunité de si euh, pour pouvoir euh, mu fréquenter yenn nit

est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.